Amis auditrices et auditeurs, chers téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir et merci de votre fidélité, vous qui avez choisi de nous écouter grâce à nos médias partenaires. Bienvenue dans le forum de ce soir. Selon la Banque mondiale, 64% des populations sahéliennes bénéficient d'une connexion mobile active. Au Niger, l'utilisation du numérique par les jeunes est de plus en plus en vogue. Les applications mobiles comme WhatsApp, TikTok ou encore Facebook sont de plus en plus utilisées par les jeunes filles comme garçons. Cette connectivité croissante pose un problème d'éducation aux médias sociaux. Les harcèlements, la cyberpornographie sont alors des dangers auxquels les jeunes filles et garçons doivent faire face. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation des jeunes C'est la question essentielle qu'on se pose dans le forum de ce soir et pour en parler, tout au long de cette émission, je serai accompagné par Souleiman Ibrahima Issa, ingénieur, génie civil, grand utilisateur des réseaux sociaux, Issoufa Abdou Ousmane, développeur full stack, ceux-là qui travaillent justement pour la conception et la réalisation des applications mobiles et des sites internet. Et enfin, Alassane Bibi Salamatou, étudiante en droit, activiste sur les réseaux sociaux, féministe de son état, si j'ose le dire, qui de jour et de nuit, en tout cas, reçoivent des messages sur les réseaux sociaux. C'est parti, Eh bien, pour planter le décor, nous allons commencer ce forum avec ce Vox Pop que nous avons réalisé auprès des jeunes Nigériens pour avoir leur avis sur la question suivante. Qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux et pourquoi se connecter à Internet C'est la question qu'on leur a posée. L'Internet nous permet d'avoir euh, différentes informations dans nos différentes recherches ça contribue à s'auto-former, quel que soit du domaine académique, à intervient presque dans tous les domaines. Et voilà, donc, concernant son côté négatif, ça contribue à rendre les gens aussi paresseux par son usage abusif. Avec l'avènement de l'Internet, les gens ne réfléchissent presque plus avec leur tête. On fait tout du copier-coller. On va sur Internet, on copie, on vient, on colle. Et ça, ça ne te permet pas d'explorer tes propres connaissances. C'est un moyen très efficace pour euh, que les gens soient soudés, pour renforcer les liens, en fait, si je peux le dire. Et aussi, c'est un moyen pour nous d'apprendre beaucoup de choses de la vie courante. vous n'êtes pas seul de savoir que de nos jours, euh, tout est véhiculé dedans. Donc euh, ça nous permet d'être informés euh, soit sur l'actualité ou différents, différents domaines. J'utilise les réseaux sociaux, notamment WhatsApp par exemple, pour faire comprendre à la femme qu'elle est un pilier fondamental pour le développement de la nation nigérienne notamment, et aussi faire comprendre à la femme qu'elle doit être une création de valeur du développement il y a aussi la question de la sociabilité. Je, peux être ici, je suis sur le continent africain, et mon frère ou bien ma soeur peut être sur un continent, par exemple, un continent asiatique, américain, tout ça là, je ne sais pas. Et comment on peut avoir de ces nouvelles, comment bien causer Seuls les réseaux sociaux nous permettent de bien causer. Parce que si je dis je vais mettre crédit, même si je mets 10 000 francs, ça, ça dépasse pas peut-être quelques minutes de communication et puis voilà. Comme bien même que eh, les réseaux sociaux causent plus de dommages que d'avantages. Moi, à mon avis, je vois bien que les, eh, les réseaux sociaux, surtout l'Internet, vraiment, ça n'a beaucoup d'avantages. Mais avec maintenant les gens et autres là, maintenant ça prend une autre tournure. Vraiment, sinon les réseaux sociaux, lorsque tu montes sur les réseaux sociaux avec un sérieux, tu travailles, tu peux travailler, tu peux avoir des réponses à tes questions, tu peux avoir des... Moi personnellement, je fréquente pas beaucoup les réseaux sociaux. J'utilise seulement WhatsApp. WhatsApp aussi, il y a des raisons. La première raison, c'est pour avoir de l'information de notre classe, de notre c'est-à-dire, quand il y aura devoir des mains, et le, délégué passe l'information dans le groupe. Donc ça aussi, c'est une raison. La deuxième raison, c'est pour avoir aussi de l'information à travers les statuts des gens. Il faut que je sois informé en tant que futur journaliste. Par exemple, aussi le décès de Garba, C'est à travers les statuts et que je l'ai appris aussi. Et quand un inconnu me contacte en, inbox. Premier message, je réponds pas. Deuxième, jusqu'à troisième, parfois, je réponds. Je te demande c'est qui, et je te demande qui t'a donné mon numéro. Dès que je te pose la question là, qui t'a donné mon numéro et que tu m'as pas répondu, je te bloque directement. Euh, sur les réseaux sociaux, moi, euh, je navigue d'abord, je fais des recherches sur Internet. Ensuite, j'utilise WhatsApp. Euh, pour échanger avec, euh, avec des amis, euh, pour m'enrichir aussi. Il y a des groupes avec, avec lesquels j'essaie d'avoir un certain nombre de connaissances. Ensuite, Facebook aussi, j'utilise Facebook pour me connecter. La plupart vraiment, c'est pour me connecter et voir les publications. Tout ce que je fais, tout ce que je gagne là-dedans, c'est seulement les recherches là que je fais. Sinon, les autres, là, vraiment, c'est pour me distraire. Quoi. Il y a un peu de tout. Hein. Quelle est votre réaction après avoir écouté ce reportage, enfin, oh. ce Vox Pop Ok, merci beaucoup euh, pour la parole. Bon, j'ai suivi très attentivement les interventions des uns et des autres à travers les interlocuteurs. D'abord, ce que je vais commencer par dire, c'est que l'Internet de nos jours est devenu une chose à laquelle les gens s'attachent beaucoup. Euh, quand vous prenez l'exemple, moi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis quelqu'un qui ne suit pas trop euh, les actualités sur... Internet quand, quand je travail. Par exemple, quand tu travailles et que ton téléphone est toujours connecté, tu vas pas travailler. Ça te permet de, de ne pas être productif. C'est vrai que je l'utilise pour, me, pour faire, par exemple, la, promotion de ce que je fais parce que je suis un concepteur, je fais, des, je fais de la conception des, des maisons. Mm. Et donc, je partage euh, ce que je fais à travers WhatsApp, à travers Facebook. J'ai une page dans laquelle euh, je, je partage, je, je fais la publicité de ce que je fais. Ça me rapporte parce que je, ça me permet d'avoir des clients. Donc vous vous retrouvez en gros dans ce, dans ce reportage. Voilà, mais quand, je pas, quand, quand je suis au travail, je ne le fais pas. D'accord. Mais quand j'ai un peu de temps, je, me mets. Et quand je, parce que si je dis que à chaque fois je vais me connecter, je n'aurai pas le temps pour faire la conception. Justement. Il faut que je conçois d'abord, maintenant, après, après avoir fini de concevoir. C'est un problème d'organisation. Voilà, il faut que je sois concentré. Parce que la conception demande plus de concentration. Comme tout autre travail d'ailleurs. Exactement. Alors, ou bien le développement des applications ne demande pas de concentration <laughs> alors, euh, alors, tu viens d'écouter ce reportage. Quel est ton regard Qu'est-ce que tu penses Tout ce qu'ils ont dit, bon, c'est un peu ce que nous vivons aujourd'hui. Euh, mais je peux dire que ce que tout à l'heure mon collègue a dit, je pense que c'est c'est juste une question d'organisation, comme tu l'as dit, Olivier. Je pense que le fait d'être connecté n'empêche pas forcément de travailler. Ça dépend juste de comment on, s'organise et comment on s'y maîtrise, en fait. Mais sinon, comme toute chose, bon, l'Internet, ça a ses avantages et ses inconvénients. Une réaction après avoir écouté ce reportage euh, Qu'est-ce que les jeunes font avec euh, l'Internet Voici leurs réponses. Euh, réponse. Oui, les gens utilisent Internet et comme moi je l'utilise, la plupart des temps on a besoin d'être organisé, de savoir ce qui se passe, de prendre des nouvelles des gens, de partager des vibes positives, comme moi j'aime bien le dire. Mm. Les réseaux sociaux sont vraiment quelque chose de bien. Quand on touche le fond, c'est bien. C'est bien comme conception. Mais après, ça dérive. Parce que quand on est censé causer avec des gens, ces personnes finissent par nous harceler, des gens avec qui on ne souhaite pas parler, qui continuent à nous harceler tous les jours, qui viennent jusqu'à chez nous pour nous trouver. C'est un peu fatigant à la fin. C'est pas vraiment la fin des réseaux sociaux. La plupart des temps, on l'utilise pour vraiment se, se peaufiner en tant que personne. Mais après, ça devient autre chose et c'est vraiment pas intéressant quand on se fait harceler tout le temps. C'est vraiment pas intéressant. sous Souleymane Issa, la première question, en tout cas pour ouvrir euh, ce forum, qui a déjà été ouvert d'ailleurs. Alors, à quel âge doit-on laisser un enfant avec une tablette, un téléphone, un objet connecté eh, Merci pour cette question. C'est vraiment une question très pertinente. Parce que quand vous regardez un peu ces derniers temps, les enfants utilisent plus les smartphones à très bas âge. Et moi, je pense que c'est n'est pas, pas l'idéal. Parce que les enfants utilisent par exemple les, smartphones juste c'est pour euh, euh, s'amuser. Ça, c'est vrai, c'est pour s'amuser. Mais deux fois, ils sont confrontés à, par exemple, des images qui peuvent heurter à leur sensibilité et deux fois aussi, ça leur permet de perdre du temps. Parce qu'un enfant, il doit être vraiment très bien cadré. Parce que quand un enfant n'est pas bien cadré, il peut pas, c'est-à-dire, euh, avoir de bons résultats à l'école. À chaque fois. Parce que les enfants sont, ils deviennent accro au, téléphone. Par exemple, tu vois un enfant à 2 ans, 3 ans, il te, te vois avec ton téléphone, il vient, il essaie de prendre ton téléphone. Donc, au fil du temps, par exemple, déjà à 2 ans, il prend ton téléphone. Donc, d'ici 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je pense que c'est vraiment pas l'idéal. Moi, pour moi, je pense que un enfant, il faut le cadrer, c'est-à-dire il faut le laisser utiliser le téléphone. Par exemple, quand il a fini de de faire d'apprendre ses leçons, il a fini de faire ses exercices et tout. En ce moment, on peut lui donner un téléphone et pour un laps de temps. Par exemple, vous lui donnez juste 30 minutes, il utilise, après il part, il s'endort. Mais quand vous le laissez, c'est-à-dire à chaque fois il, a le téléphone, vous allez voir qu'il ne va pas, il va pas euh, avoir des, des, bons résultats à l'école. Mm. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Youssoufa, à quel âge aujourd'hui peut-on laisser, ou bien peut-on payer, donner, ou bien laisser un enfant avoir un téléphone, une tablette, ou bien un objet connecté Bon, moi personnellement, je pense que à partir de 12 ans, 12 ans, je pense que c'est l'idéal, puisqu'il y a tellement de contenus aujourd'hui qui peuvent éduquer les enfants, notamment sur YouTube. Et il y a même en fait des dispositifs de contrôle parental. Des... Aujourd'hui, vraiment, on a tous les outils en fait. Mm. Justement, là, tu me tends la perche pour que je puisse accéder à la deuxième question. Qui doit contrôler ce qui circule sur les réseaux sociaux que ce soit pour les enfants et les adultes, mais surtout pour les enfants, qui doit contrôler Est-ce que c'est aux développeurs, ceux qui conçoivent les applications, ou bien est-ce que c'est aux parents, ceux qui partent payer Concrètement, qui doit contrôler ceux qui circulent sur les réseaux sociaux je pense que euh, ceux qui sont sur la première ligne, c'est surtout ceux qui conçoivent. Mm. Puisque en concevant, il faut prévoir des éventualités que les enfants peuvent être confrontés à de tels contenus. Ensuite, il y a les parents donc, euh, puisque en fait, si on conçoit les outils et leurs outils de contrôle également, donc les parents doivent être à même de les exploiter afin de réduire les risques à leurs enfants d'être confrontés à de tels contenus. Hmm. Alors, si on prend un exemple pratique, WhatsApp aujourd'hui, Facebook aujourd'hui, ont-ils des outils de contrôle parental, comme vous venez de le dire Oui, Facebook, oui, à ma connaissance, Facebook, ils ont des outils de contrôle parental. Donc, euh, et ils ont même des modérateurs Facebook de contenu aujourd'hui qui filtrent les publications. Mais tout ça euh, n'étant pas suffisant, il faut que les parents puissent prendre en main ces outils-là. Et je mm. pense qu'à cet égard, il faudrait euh, une campagne peut-être de sensibilisation pour même sensibiliser les parents, en fait, qu'ils sont aussi en quelque sorte responsables donc, de ce que leurs enfants font sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, Salamatou, au nom de la liberté d'expression, plusieurs internautes se prononcent quand ils le veulent sur plusieurs sujets. Comment les jeunes peuvent faire face entre le bon contenu et le contenu dégradant euh, La plupart des temps, quand vous regardez les gens qui publient, il faut être... Euh, la plupart des gens se disent influenceurs, hmm. alors que ce n'est pas vraiment le bon terme. On est influenceur quand on dit, quand on dicte la bonne conduite à des gens. Et la plupart des gens se prononcent sur des sujets sans aucun fondement, c'est-à-dire sans connaître les bases même de ce sujet. Prenons l'exemple de Miss Niger. La plupart des temps, les gens se Qui fait l'actualité. C'est l'actualité, mhm. l'émotion. J'ai jamais vu les <laughs> conceptions de c'est l'émotion et tout. <laughs> C'est vrai, les gens écoutent tout le monde et n'importe qui. Quand tu prends cette histoire de Miss Niger, il y a des gens qui disent qu'il faut arrêter, il y a des gens qui disent qu'il faut continuer, il y a des gens qui disent qu'il faut travailler, revoir les choses. Mais qui on doit écouter Si quelqu'un qui n'a jamais organisé un événement me dit que c'est mal fait, bah, je me dis, montre-nous ce que tu dois faire. C'est comme ça que les gens doivent réagir. Ils doivent regarder euh, l'expérience de la personne dans le domaine où il est en train de parler. On doit regarder les gens qui viennent de loin qui ont vraiment de l'expérience et qui peut faire le, en gros, il ne Il faut pas écouter tout le monde, il faut écouter quelqu'un qui sait de quoi il parle. Exact. Merci. En gros, il faut écouter les gens qui savent de quoi ils parlent. On va évoluer dans le sujet. L'éducation reçue à la maison, à l'école, est souvent celle considérée comme la meilleure. Avec le digital, peut-on se limiter uniquement à ces deux éducations Car aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une éducation purement digitale qu'on est en train de vivre. Comme le vient de, de le dire Salma, aujourd'hui, les gens, ils se prononcent sur un sujet sans pour autant être spécialistes. Et eh ben, quand on les écoute, d'une manière ou d'une autre, ces gens-là influent ce qu'on nous a enseigné à l'école ou à la maison. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il faut réinventer une nouvelle forme d'éducation liée au digital Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que c'est la meilleure solution même qu'on doit faire. Par exemple, euh, je veux prendre un exemple. Prenez l'exemple de la Chine. Mm. Vous, connaissez peut-être WeChat, tout le monde connaît WeChat. Mm. Euh, c'est une application que les Chinois utilisent. Bon, pas seulement les Chinois, mais pratiquement tout, dans tout le monde entier. Mm. Mais quand vous regardez en Chine, comme ils sont nombreux, il n'y a pas WhatsApp là-bas. Donc, ils ont, ils ont su créer, par exemple, une application pour eux-mêmes qui, va qui va les bénéficier. par exemple, vous voyez WhatsApp, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent par exemple partout dans le monde, mais les Chinois ne l'utilisent pas. Alors que les Chinois sont pratiquement les un quart de la population mondiale. Donc ce qui fait qu'ils ont eu l'idée de créer leur propre application qui va leur bénéficier à eux tous. Donc je pense que d'abord, on doit penser d'abord à une éducation vraiment des enfants. Parce que les enfants, c'est l'avenir de tout un pays. Mm-hmm. Les enfants, ils sont très sensibles. Un enfant, tu l'éduques, ce que tu lui dis, c'est qu'il va faire. Donc, il y a l'éducation de la maison et l'éducation de la rue. Mais l'éducation de la rue prime sur l'éducation de, de la maison. Pourquoi je dis cela Quand vous prenez, par exemple, euh, disons que moi j'ai un enfant et que je, sais, je, je, me lève, je regarde dans la cour, je ne sais pas là où il est. Donc la première personne que je vais aller voir, c'est son ami. Parce que c'est son ami qui sait là où il est. Son ami, tu parles, le vois, il va te dire, bon, s'il n'est pas ici, il est, de l'autre côté. Alors que toi, tu es là à la maison. Tu sais pas là où il est. Donc, vous voyez un peu. Donc, il a plus de temps avec ses amis et ses amis connaissent son, parcours dans la journée. Toi, tu es juste à l'âme, tu sais qu'il est sorti, mais tu sais pas là où il est. Donc, il faut il faut l'éduquer. Il faut lui dire, mon fils, si tu dois sortir, tu dois me dire là où tu dois partir. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les amis ne sont pas forcément à côté, hein. ils sont même dans son écran dans son groupe WhatsApp, sur, sur Facebook avec lui. Et justement, la question qui se pose, justement, maintenant, les, les enfants n'ont plus besoin de sortir même ah, pour rencontrer le danger. Le danger les retrouve dans leur téléphone. Exactement. au fait, si c'est une fille, on peut comprendre, mais si c'est un garçon, mm. parce parce qu'un garçon, il a tendance à sortir. Un mm. garçon, même s'il a tout chez lui, prenons mon cas, mm. j'ai tout chez moi, pratiquement tout chez moi, mais deux fois, c'est comme si je suis dans la maison, mais je me dis que je suis, on dirait que quelque chose me. C'est comme un lion en cage. Voilà, exactement. Il faut que je sorte parce que. <laughs> Voilà. Donc, si c'est une fille, elle, elle, bon, pratiquement, elles sont toutes à la maison. Elles, elles, se retrouvent toutes à la maison. Alors que nous, les garçons, on a plus tendance à aller dehors, à aller jouer au football, à aller. Donc, aujourd'hui, sur la question de l'éducation, il faut inclure le digital dans l'éducation, vous pensez Le digital, mais à un certain âge. Hmm pas à bas âge, pas à très bas âge. Justement, j'ai eu à poser la question à un spécialiste en communication, Djibril Seydou, qui nous explique ce qu'il pense de l'impact de l'éducation, enfin de l'impact du digital sur l'éducation. On l'écoute. Il est évident que avec euh, l'expansion des réseaux sociaux, devenus aujourd'hui euh, le nouvel espace euh, d'expression citoyenne, euh, il est évident qu'il est attendu de tous les utilisateurs, y compris euh, les professionnels de la communication, de faire preuve d'un surcroît de responsabilité euh, dans le cadre des contenus qui sont diffusés via ces réseaux sociaux. responsabilité parce que tout le monde est susceptible de consommer euh, ce qui est euh, publié sur ces réseaux sociaux. Et nous avons une frange importante de notre société euh, que constituent notamment les jeunes et les enfants. il faut faire preuve d'un certain niveau de responsabilité pour que les contenus qui sont portés sur ces réseaux sociaux euh, soit, à mon avis, euh, des contenus susceptibles de créer du savoir, de, créer de la connaissance auprès euh, de cette frange de notre société. Parce qu'il faut dire que les réseaux sociaux, ou disons l'utilisation des réseaux sociaux, revêt une importance capitale dans le cadre de la construction des savoirs, dans le cadre de l'information, dans le cadre du réseautage, euh, dans le cadre de, l'affinement euh, du commerce social. Mais en même temps, il faut aussi se dire qu'il y a euh, l'autre côté, donc le revers de la médaille. Si les contenus ne sont pas de caractère responsable, ne sont pas en fait des contenus qui sont, disons, pertinents, cela pouvait avoir un impact négatif euh, sur euh, notamment cette frange de la société. Je voudrais juste parler euh, des contenus séditieux, donc qui appellent à la haine, à la violence, des contenus aussi qui sont de caractère, en fait, qui sont susceptibles d'atteindre aux bonnes mœurs, mais également un certain nombre de, de comportements euh, tendant à diffuser aussi de la fausse nouvelle. Justement, pour euh, la dernière question, dans d'autres nations, dans d'autres pays, aujourd'hui, il y a une éducation à l'utilisation de ces médias sociaux qui est portée par justement des professionnels de la communication comme vous. Est-ce que c'est des choses qui existent peut-être au Niger qu'on ne sait pas, ou bien c'est des choses qu'on peut envisager, bien évidemment, au Niger euh, à ce que je sache, euh, cela n'existe pas de manière formelle pour le cas du Niger et la formation euh, à laquelle vous faites allusion intègre un espace plus global, c'est-à-dire qu'il faut d'abord éduquer surtout les jeunes et les enfants à, aux enjeux des technologies de l'information et de la communication. Ce que j'appelle les enjeux, c'est comment comprendre les, les, les, bienfaits et les méfaits euh, de ces outils euh, de communication. Comment il faut s'y prendre, comment faire en sorte que l'utilisation qu'on en fait ne soit pas de nature à exacerber des situations de conflit, des situations de tension. Ensuite, il faut une éducation aussi à l'usage de ces technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire comment faire en sorte que euh, les gens puissent euh, maîtriser ces outils ou du moins euh, en connaître les applications pour que cela complète la formation, qu'on soit étudiant, qu'on soit élève, qu'on soit euh, quelqu'un qui se débrouille dans, dans la vie, le comprendre ou savoir maîtriser ces outils est d'une importance euh, capitale. Donc je, je pense qu'il est important, il est d'abord de la responsabilité de chaque parent de veiller à ce que l'utilisation des réseaux sociaux par ses enfants soit une utilisation qui est de nature à, à compléter euh, la formation, euh, que ce soit académique ou même la formation sociale en quelque sorte de l'enfant. Il est ensuite de la responsabilité, euh, je crois, des, organes publics de régulation pour appeler ceux qui sont générateurs de contenu sur ces plateformes à davantage de responsabilités et peut-être même à installer une sorte de pare-feu pour que certains contenus euh, d'un certain euh, niveau de sensibilité euh, ne soient pas à la portée des plus jeunes ou des plus petits d'entre nous. Ce soir, dans le forum du studio Kalangou, nous parlons de l'éducation des jeunes. Quel est l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation des jeunes Telle est la question autour de laquelle nous évoluons. Alors, Issoufa, est-ce que quand on écoute Dibril Seydou, qui est quand même un expert en communication, nous parler. Est-ce que tout ce qu'il vient de dire sont réalisables et réalistes pour protéger les jeunes sur les réseaux sociaux Oui, je pense que tout à fait, c'est réalisable. Ouais. je pense qu'il y a même des, des initiatives similaires, comme il l'a évoqué, qui sont en train de se passer. Aujourd'hui, quand on regarde, il y a l'ANSI qui fait des, quelques séances de formation pour sensibiliser les gens et il y a aussi des bénévoles, des associations telles que Digital Niger, GDG, qui organisent des formations donc, dans ce sens-là. Mais en fait, c'est quelque chose qui est quasiment inexistant dans l'intérieur du pays. Aujourd'hui, moi, je vois beaucoup plus l'intérieur du pays, puisque à Niamey, les gens sont quand même un peu plus avancés. Je, je peux dire même que Niamey, on est beaucoup plus avancé que l'intérieur du pays. Ça, c'est une réalité, puisque je viens de l'intérieur du pays. Donc au Niger, en tout cas, si on doit transposer tout ce que l'expert a dit, donc je pense qu'il faudra mettre l'accent sur l'intérêt du pays. Hmm. Merci beaucoup à toi. Alors, euh, Salamatou, longtemps abandonné au profit des jeunes, les réseaux sociaux sont en train de devenir euh, euh, une nouvelle âme pour déformer l'ordre social à travers la diffusion des images et certaines vidéos tendancieuses. Danse sur TikTok pour les uns des habillements sexy pour les autres. Et pour aller plus loin, insultes, menaces, pour certains. Alors, vous, quelle a été votre expérience, peut-être en tant qu'activiste, des, des, droits féministes qui, quand même, euh, font partie des droits revendiqués par les femmes et pas trop soutenus par les hommes Est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes témoin de ce genre de pratiques sur les réseaux sociaux oui, je suis témoin. Pour commencer, il y a beaucoup plus l'accent à mettre sur le fait que il y a des réseaux sociaux qui sont plus utilisés que d'autres pour nuire aux mœurs. Ça veut TikTok, c'est carrément quelque chose que moi, je, je n'utilise pas. Dans ma famille, personne ne l'utilise. J'ai carrément mis un, un blocus sur le téléphone de tout le monde pour ne pas utiliser TikTok. Ça, c'est la première des choses. C'est la chose, c'est l'expérience qui montre qu'on peut, on peut, on peut, en quelque sorte, influencer l'utilisation que les plus jeunes font des réseaux sociaux. On leur explique qu'est-ce qui ne va pas avec ce réseau social. Par exemple, moi, je dis à ma soeur quelque chose que si un jour tes enfants le voient, ils auront honte de toi. Ne le fais jamais. Et ça marche tout simplement parce que chaque personne sait c'est quoi la honte. Et chaque personne a une idée de ce que ça peut faire quand une autre personne n'est pas fière de toi. Mhm. Et les réseaux sociaux euh, sont utilisés pour insulter les gens. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit que voilà, quelqu'un est en train d'insulter mon père alors qu'on ne sait même pas que cette personne existe. Et c'est des réalités, c'est des choses qu'on vit comme personne, comme étudiante, dernièrement, quelqu'un m'a écrit. Déjà, la plupart des temps, quand je fais des publications, je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Mais la plupart des temps, je fais une, publication. Et cette dernière me retrouve sur Messenger. Elle prend plaisir à m'insulter. Et j'ai toujours laissé en vue. Je me suis toujours dit que c'est des gens qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Après, euh, un jour, j'avais fait une publication concernant les études que je mène. Et cette personne est clairement venue me dire que c'est des choses qui vont contre ma religion, que je ne dois pas étudier le droit positif. Et après, quand j'ai dit, bon, je veux prendre note de ce que vous avez dit, il me dit, mais tu prends note, est-ce que tu vas le faire Je dis non. Vous pouvez amener un cheval à la rivière, mais pas le forcer à boire. Vous pouvez me dire que c'est pas bien, mais pas m'empêcher de continuer mes études. Mm. Et là, c'est devenu autre chose. Il m'a carrément insulté. Et ça arrive presque tous les jours. Sur WhatsApp, sur Messenger, la personne te laisse un, deux messages. Ça devient les insultes. La personne te dit non, tu te prends et tout. Alors que ce n'est pas cela. Chaque personne a sa conception des, réseaux sociaux. Je ne peux pas comprendre qu'un inconnu t'écrive sur euh, Messenger. C'est un inconnu. Il te dit salut bébé. Je hmm. Je comprends pas. C'est pas normal pour moi. Et je ne cautionne pas cela. C'est pour cela que je ne réponds pas. Et les gens trouvent que c'est une façon d'être hôtel. Non, je ne suis pas hôtel. Quand quelqu'un m'écrit dans les règles, par exemple, il y a des gens qui m'écrivent Bonsoir Salamatou, comment vous allez Je suis tel, tel, tel. Je suis dans tel domaine, je voudrais que vous m'aidiez dans tel, tel. Je le fais avec plaisir. Parce que les réseaux sociaux, ça devient une famille après. Mhm. Mais quand ça devient des insultes, le harcèlement, c'est des choses qu'il faut vraiment bannir. Et ça fait rage actuellement. Ben, merci beaucoup pour ces beaux témoignages, en tout cas qui nous permettent de mesurer l'ampleur de ce que nous vivons. Le débat continue. Suleiman Issa, aujourd'hui, quand on voit une nouvelle génération qui est en train d'émerger, tout simplement, qui sont aujourd'hui au collège, au lycée, euh, qui sont en train de devenir, en tout cas, les hommes de demain, mhm. est-ce que vous avez l'impression que ces jeunes sont influencés négativement par les réseaux sociaux euh, merci pour cette question. Je pense que euh, tout d'abord, je vais commencer par dire que ils sont vraiment très influencés par les réseaux sociaux. Oui, mais négativement. Négativement. Hmm. Parce que, bon, récemment, il y, avait des vidéos qui avaient fuité. Bon, je ne sais pas, comme il a si bien souligné à l'intérieur du pays, c'était des vidéos de des filles qui se permettaient de. les lesbiennes, des, hmm des, PD. Mm. Bon, malheureusement, euh, les vidéos ont fuité. Il, paraît qu'ils ont été enfermés et tout. Bon, pour ne pas revenir euh, sur ce sujet, en fait, les réseaux sociaux au Niger, les gens n'en profitent pas. Qu'est-ce que j'appelle profiter mm. C'est-à-dire, je prends l'exemple du Burkina. Par exemple, il y a beaucoup de, plateformes qui sont là qui te permettent de, de te faire un peu d'argent. Mais les gens ne connaissent pas. Au Niger, les gens ignorent cela. Quand vous prenez le trading, le trading, quand tu parles, quand tu demandes à un Nigérien, tu connais le trading Le trading, bon, c'est de l'anglais, non, ça veut dire commerce. Alors que non, c'est pas du commerce. C'est une monnaie d'échange, c'est-à-dire c'est c'est un échange de devises qu'on fait. Par exemple, sur une plateforme, il y a beaucoup de plateformes qui sont là. Mmh. Le trading te permet, étant à la maison sur ton smartphone, de te faire de l'argent. Et aujourd'hui, les jeunes ne connaissent pas les Les gens ne connaissent même pas ce que c'est que le trading. Hmm. Alors qu'ils doivent s'informer, ils doivent hmm. chercher les, bonnes informations. Hmm. Quand vous prenez, par exemple, la, publicité, les gens font la publicité de leurs articles, comme moi, par exemple. Ça te permet d'être de, plus visuel, ça te permet que les gens puissent connaître ce que tu fais, ça te permet vraiment de faire une très grande publicité au lieu de prendre ton temps à à WhatsApper, à échanger avec, des amis. Mm. Tu aurais dû, c'est-à-dire améliorer ta plateforme comme le font les Blancs. Ils ont le temps pour... Parce qu'à chaque fois, tu dois améliorer ta plateforme, tu dois faire des conceptions pour, pour attirer ta clientèle, tout cela. Mais les gens n'ont pas ce temps pour le faire. Les gens préfèrent aller causer, alors que ça, ça, ça, t'apporte quoi mm-hmm. Ça ne t'apporte rien du tout. Et c'est la question qu'on se pose. Alors, à l'instant, dans nos échanges, Souleymane l'avait bien donné comme exemple, la Chine a aujourd'hui son propre réseau social et Youssoufa aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que développeur, vous savez que vous avez déjà travaillé sur beaucoup de sujets, est-ce que c'est des choses qu'on peut imaginer au Niger Un réseau social propre au Niger ou bien propre à l'Afrique qui respecte quand même les normes et les valeurs ou la, la modération sera quand même basée sur les normes éducationnelles africaines Oui, je pense que c'est quelque chose qui est possible et c'est quelque chose qui qui est en train d'émerger en fait. Si mm. on prend au Mali, il y a des plateformes comme ça, donc et un peu plus au Kenya, au Nigeria, il y a des plateformes de réseautage social euh, qui vont dans ce sens-là. Mais au fond, je pense que les médias existants sont tellement ancrés mm. que je pense que est puissant. Mm. Que ça paraît impossible en fait. Voyons la réalité en France. Aujourd'hui, euh, on ne peut pas vraiment remplacer Facebook et surtout WhatsApp aujourd'hui qui attaque nos villages. Donc, euh, bon, c'est quelque chose que, qui est faisable, certes, mais très difficile. Hmm. Très difficile, On continue avec toi, Issoufa. Hmm. Tu parlais à l'instant de l'intérieur du pays. Et la réalité à l'intérieur du pays n'est pas la même euh, comme ce que tu viens de dire. Toi qui aujourd'hui as connu les deux mondes, tu, étais à l'intérieur du pays, à Agadez précisément À Difa. À Difa, sorry, à précisément aujourd'hui, depuis quelques années, tu es à Niamey. Qu'est-ce qui change on sait quelle est la conception quand on soit de l'autre côté ou bien quand on est ici quelle, est la quelle est la perception qu'on a de l'utilisation des réseaux sociaux à Niamey les réseaux sociaux c'est autre chose hmm. à Niamey il y a c'est comme si tout le monde fait une promotion de soi mm-hmm. donc au détriment de ses activités ou, au détriment de ce qu'on peut gagner donc comme tout, à, tout, à l'heure monsieur l'a cité plutôt hmm. donc les gens n'en profitent pas. Mm. Mais à l'intérieur du pays, les gens en profitent vraiment. Puisqu'en fait, moi, à Difa, si je prends, bon, Difa, c'est vrai que c'est frontière Nigeria, et puis il y a une grande influence du Nigeria, puisque pour info, hein, à Difa, on dépense le Naira. Donc. une partie de, DIFA. Oui, une partie de DIFA, on, dépense le Naira. Donc, cette influence du Nigeria fait en sorte que, à DIFA, les gens sont beaucoup plus conscients vis-à-vis de l'utilisation des réseaux sociaux. Les gens utilisent les réseaux sociaux pour poster des trucs sur les statuts, des choses à vendre, communiquer et tout. Même si les gens, la majorité ne sont pas connectés, en tout cas ceux qui le sont, euh, sont conscients, je peux dire, des dangers que ça représente mhm. et des opportunités que ça peut offrir. Super. Salamatou, on continue ces échanges avec vous dans l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui. On l'a écouté dans ce Vox Pop qu'on a écouté en début d'émission il y a aussi l'utilisation de ces réseaux sociaux pour revendiquer le droit de la femme, positionner la jeune fille au cœur du développement du pays. Est-ce que cet usage-là, c'est un usage que vous faites ou bien que vous avez remarqué C'est un usage que je fais. La plupart des temps, je dis que les gens nous comprennent mal. Par exemple, les hommes nous comprennent mal parce que quand on dit féministe, c'est tout de suite connoté. Hmm. Alors qu'il y a des hommes qui sont féministes. Hmm. Les féministes ne sont pas ces gens-là qui réclament l'égalité, mais l'équité on demande l'équité. Et comment vous utilisez justement les réseaux sociaux pour faire passer ce message-là Ce côté militantisme des réseaux sociaux La plupart des temps, on fait des publications, c'est des plans de communication qui sont mis en place et on le fait vraiment de bon cœur, mais il y a des gens qui le prennent mal. Mm. Par exemple, quand tu expliques sur, euh, dans une publication qu'une personne, une femme, doit autant dormir que non parce que après tout c'est un être humain. Il y a des gens qui disent qu'on fait la promotion de la paresse alors que il n'en est aucunement pas le cas. On ne dit pas que les gens ne doivent pas travailler mais on dit qu'on doit tous rester humains. C'est comme ça mais les gens le prennent mal. Donc aujourd'hui, cette utilisation des réseaux sociaux est, mal comprise. Oui, elle est très mal comprise et elle est même souvent connotée. Hmm. Parce que quand il y a des personnes qui veulent se moquer de toi, elles t'appellent féministe. C'est tout simplement cela. Mm. C'est vraiment connoté, ils ne comprennent pas. Normalement, le, digital doit nous aider à comprendre certaines choses. Mais quand on veut expliquer une chose, ils vont dans un autre plan et ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre. Et c'est connoté. Souleymane Issa, ce soir, on doit également parler à nos parents, de nos parents, ceux qui nous écoutent, ceux qui éduquent aujourd'hui les parents. Je ne dirais pas qu'ils se sont laissés dépasser par les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, je pense que c'est les enfants qui éduquent leurs parents à l'utilisation des réseaux sociaux. J'en ai vu dans des familles où c'est le c'est l'enfant ou bien le plus petit qui installe WhatsApp pour son père, qui installe Facebook, qui change la photo de profil, qui change le nom. Mais Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents dans ce sens-là euh, Dans ce sens-là, d'abord, je vais dire que les parents, c'est la vieille génération. Hmm. C'est-à-dire, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont venus trouver cela. Et les enfants, ils sont venus en, au moment où la chose existe. Donc nos parents, eux, ils sont venus trouver cela. La chose est venue les trouver. Hmm. Donc ce qui fait que les parents, euh, eux, l'essentiel, c'est de partager un message ou bien de changer de profil, comme vous l'avez dit. C'est des trucs simples qu'ils font. Eux, ils ne s'intéressent pas à ce que les jeunes font. Les jeunes vont au-delà de ce que les parents font. Les parents, c'est juste, par exemple, elle veut faire un vocal, elle ne sait pas comment faire un vocal, elle dit, bon, s'il te plaît, montre-moi comment on fait. Et puis bon, c'est juste ça. Mais les enfants, ils vont au-delà de cela. Ce qui fait qu'ils peuvent aller, euh, ils peuvent, euh, c'est-à-dire aller au-delà de, de ce qui n'est pas normal. Par exemple, l'enfant, il peut prendre le téléphone, dire que bon, il faut que je cherche. Par exemple, dans une, dans une série télé, il peut voir quelque chose, il dit bon, attends, je vais aller regarder rapidement. Comme la maman n'est pas là, rapidement, il prend, il regarde et puis avant qu'elle ne vienne, il l'a déposé. Donc, c'est pour cela que je dis toujours que l'enfant, il doit être très bien suivi il doit être très bien suivi. Maintenant, les parents, bon, eux, l'essentiel, c'est de, de, prendre le téléphone et puis de, causer avec une amie lointaine ou bien une amie qui, par exemple, qui, qui ça fait longtemps tu l'as vu, bon, c'est ce qui les intéresse, hein, ou mhm. bien communiquer. C'est la communication qui intéresse les parents. Ils ne vont pas au-delà de cela. Donc c'est ce que moi je pense. Isoufa, quel effort les parents doivent faire aujourd'hui pour contrôler leurs enfants sur les réseaux sociaux Comme la majorité des, parents ne sont pas vraiment euh, formés mm. aux réseaux sociaux, aux smartphones aujourd'hui, la plupart ne savent pas vraiment comment les utiliser, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Je pense que les possibilités sont plutôt limitées. Mm. Peut-être limiter le temps d'écran, peut-être dire que euh, par jour, tu ne vas faire que, je sais pas, 30 minutes de telle, euh, de telle heure à telle heure, peut-être avec des mesures comme ça. Mais je pense que tout va reposer euh, sur l'éducation à l'école. À l'école. Puisqu'en fait, les parents envoient leurs enfants à l'école. Et donc, à l'école, comme on enseigne, donc il faudrait, comme tu l'as évoqué, créer une sorte d'éducation digitale qu'on doit insérer dans le programme. Donc, en ce sens-là, les enfants vont pouvoir apprendre euh, à maîtriser ce que euh, les réseaux sociaux peuvent amener, des bons et des mauvais. Et en ce sens-là, ils peuvent euh, prendre conscience d'eux-mêmes. Comme les parents aujourd'hui, c'est même les enfants qui contrôlent les parents. Alors que c'est censé être l'inverse. Ouais. <laughs> ouais. tu es en train de dire oui, tu es d'accord avec ça quand oui, Je suis d'accord parce qu'une fois, maman, elle m'a raconté que une de ses amies, à chaque fois que son téléphone ne sonne pas, son fils lui dit Non, c'est la sonnerie qui est terminée. Ou il change le mot de passe, il dit non, il y a un problème avec le téléphone, tu dois me payer, tu dois donner, on va aller donner au réparateur. L'enfant prend l'argent, mais en vérité, c'est il va juste changer le mot de passe et il ramène le mot de passe d'antan. c'est des choses comme ça qui se font. Mais les gens, ils ont un problème éducationnel par rapport au digital. Le digital peut vraiment nous aider. Mm-hmm. Mais comme on dit, les enfants n'écoutent pas ce que les parents disent. Ils les imitent. Mm-hmm. Quand tu vois ton papa ou ta maman, il utilisent les téléphones, mais de façon très modérée, tu le suis. Et quand tu le vois, malgré le fait que il utilise un téléphone ou WhatsApp ou Facebook. Il prend son temps pour faire la prière, il prend son temps pour discuter avec vous, il prend son temps pour lire des livres. Toi aussi, tu te mais c'est naturel. Il faut qu'on apprenne à nos enfants, à notre plus petit, à vraiment utiliser le téléphone de façon responsable, à l'utilisant nous-mêmes de façon très responsable. Hum, hum. Bah, merci beaucoup à vous. On va encore euh, peut-être euh, euh, une des dernières questions de ce forum. C'est de savoir aujourd'hui, bah, on a l'impression que le Nigeria n'est pas assez connecté. Et pourtant, bah, ça fait ravage quand même l'utilisation des réseaux sociaux. Comment on explique cela Peut-être euh, peut toi, Yusufa, on a, on a l'impression que le Nigeria n'est pas connecté. Quand tu me parles de Difa, par exemple, à Niamey, on a l'impression que Difa, c'est à plus de 1000 km de Niamey, il n'y a pas de connexion, Donc, on néglige un peu ceux de l'intérieur. On dit, bon, de toute façon, eux, ils ne sont pas connectés. C'est des gens qui ne sont pas dans le circuit digital. Et pourtant, les réseaux sociaux font ravage là-bas. Comment on explique cela Bon, difficile à dire, hmm. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, en fait, c'est pas seulement de notre faute. Hein. Moi, je pense que il y a peut-être quelque chose qui vient de l'extérieur, une culture extérieure qu'on essaie de faire la promotion, je hmm. pense, au hmm. Niger. en fait, qu'est-ce qui se passe Des fake news, c'est surtout ça. Les fake news, c'est ça qui font surtout ravage au Niger. Euh, je prends l'exemple de, des crypto-monnaies, des, trading, mm. des, choses comme ça. Aujourd'hui, mm. les jeunes cherchent de plus en plus les moyens faciles de gagner de l'argent, alors qu'on sait tous que ça n'existe pas, un moyen facile d'être riche. Donc du coup, euh, ces campagnes de promotion des fake news-là, euh, comme les gens ne sont pas assez éduqués, donc ça les touche, ça les influence. Et puis ça nous rend un peu paresseux, moins productifs, moins réalistes. Mm. Mais en tout cas, je pense que euh, à, travers une bonne campagne de sensibilisation, euh, ça peut, ça peut être euh, on peut réduire les risques. Super, on va avoir bientôt l'avis du, du développeur, parce que depuis là, on n'a que l'avis de l'internaute, on n'a pas encore l'avis du développeur, on va avoir l'avis du développeur tout de suite. Alors, Salamatou, pour vous, étudiante aujourd'hui, quand même, comment vous imaginez les années à venir si la tendance continue dans ce sens-là si la tendance continue, nous aurons un Niger qui sera sans dessus-dessous. Parce que nous sommes les jeunes. Nous, les jeunes, actuellement, nous n'utilisons pas les réseaux sociaux de façon responsable. Nous filmons n'importe quoi, nous faisons du tout. Alors que c'est les choses qui rattrapent. Par exemple, quand vous ouvrez votre galerie Google, vous voyez souvenirs de 4 ans ou 5 ans. Et c'est les choses que votre téléphone garde. Et c'est les choses que Google garde. Et il y a des, des intermédiaires entre nous et Google. Et il y a des gens qui sont mal intentionnés. Aujourd'hui, parmi nous, parmi ces jeunes activistes, il y a les futurs présidents du Niger. Il y a les futurs présidents du Niger. Et si euh, le président doit venir faire un discours, il fait son discours, il s'en va, un de ses amis sort une vidéo, voilà ce que tu faisais avant. Je vois mal le Niger être dans ce genre de situation. Pourtant, ça va arriver parce qu'on est en train de faire des choses pas responsables et ça va nous rattraper. Il faut que ça change il faut que ça change et c'est justement la raison pour laquelle nous avons en tout cas animé ce forum. On est presque à la fin, on n'est pas presque à la fin, on est à la fin de ce forum. Mais pour terminer, la tradition, elle exige un dernier mot, un dernier tour de table pour euh, nos invités qui sont là. Alors ce soir, votre dernier mot sur l'éducation, sur les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux sur l'éducation des jeunes nigériens. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça D'abord, concernant l'éducation des réseaux sociaux, hmm. moi je pense qu'il faut d'abord que nos parents comprennent que il faut que nos enfants, il faut que les parents les, suivent, pieds et mains, hmm. pas à pas. Parce que l'enfant, tu le laisses à lui-même après, tu vas le regretter. Point. Alors, Issoufa, en tant que développeur, aujourd'hui, quelle est l'alternative pour que demain, les, les, applications de demain prennent en compte justement les problèmes d'aujourd'hui, justement l'éducation des enfants Difficile à dire, mmh. mais je pense que je vais juste adresser un message aux utilisateurs, aux jeunes notamment. Donc je pense que profiter profitez, euh, cherchez-vous des opportunités. C'est tout. En fait, les, réseaux sociaux, ils, sont là pour vous accompagner dans ce sens-là. S'il vous plaît, utilisez les réseaux sociaux de façon responsable. On est des hommes et bon, on est des hommes et des femmes qui doivent construire une nation forte. Alors si on est nous-mêmes faibles dans nos convictions ou dans nos façons de faire nos choses, ça ne va pas aller. Il faut changer cela et être responsable et vraiment être euh, refléter notre éducation à la maison, parce qu'on a tous reçu une très belle éducation. Nos parents sont super. Nos parents sont super, je pense que c'est la plus belle phrase que je vais garder pour la fin de l'émission de ce soir, chers amis auditrices et auditeurs. Au terme de ces échanges, on comprend aisément l'impact capital qu'a les plateformes digitales sur les enfants, nos enfants. Et face à ces impacts, la prudence et la vigilance sont recommandées pour la protection des enfants et des jeunes nigérien. Merci à Souleyman Issa, ingénieur génie civil, Isoufa Abdou Ousmane, développeur full stack, Alassane Bibi Salamatou, étudiante en droit activiste. La vidéo a été assurée par Seini Isaka et l'audio a été assuré par la formidable Amina. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.